forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio le forum du studio Kalamgou le forum du studio le forum du studio le forum du studio 18h passé de 15 minutes à Niamey. Madame, Messieurs, bonsoir. et Bienvenue au rendez-vous hebdomadaire, le forum de la presse du studio Kalangou. Cette semaine, les sujets qui ont dominé l'actualité sont le coup d'État mardi 18 juillet au Mali après une crise politique qui a duré plusieurs semaines. En seconde position, nous parlerons de la célébration mercredi 19 août 2020 de la journée mondiale de l'aide humanitaire. L'actualité toujours les eaux du fleuve Niger sont déjà au-delà du seuil d'alerte rouge des 620 cm à Niamey. Pour analyser ces informations, j'ai le plaisir de recevoir Issa Madougou, journaliste indépendant. Issa Madougou, bonsoir. Bonsoir, Mokhtar. Elhaj Mohamedou Suleiman, directeur de la rédaction du journal en ligne Niger Inter. Elhaj Mohamedou Suleiman, bonsoir. Bonsoir. Et Ousseini Issa Jibo, journaliste indépendant. Ousseini Issa Jibo, bonsoir. Bonsoir. Au microphone, Mokhtar Hamadou. Nous ouvrons ce forum par le coup d'État militaire au Mali. Après plusieurs mois de vives tensions politiques, les militaires ont pris le pouvoir mardi 18 août et poussé à la démission le président Ibrahim Boubacar Keïta. Ils ont affirmé dans la foulée vouloir mettre en place une transition politique civile devant conduire à des élections générales dans un délai raisonnable et respecter les engagements et accords internationaux. Euh, l'épilogue euh, de plusieurs mois de tension au sein de ce pays ébranlé par une profonde crise politique dans un climat d'insécurité lié notamment aux attaques djihadistes. Elhaj euh, Mohamed Suleiman, coup de temps militaire au Mali, comment en est-on arrivé là ben, je pense que c'est un fait aujourd'hui. tout le monde sait qu'il y a une crise sociopolitique très aiguë donc, qui carcasse ce pays depuis quelques mois. Donc, euh, les militaires ont décidé de faire intrusion dans le jeu euh, politique. Ça arrive dans nos pays. On a pensé que peut-être euh, Est-ce que le coup d'État était prévisible À partir du moment où il y a un blocage, parce que le mouvement populaire donc la société civile malienne, euh, l'opposition n'arrive pas à s'entendre avec le pouvoir. C'est-à-dire que le dialogue en tant que tel, est bloqué malgré donc, les initiatives donc, euh, de différents partenaires de la CDAO. Je pense que dire que si c'est prévisible, effectivement, j'ai dit dans nos pays, on peut dire que c'est prévisible parce qu'on sait que l'armée intervient. Mais ailleurs, euh, il peut y avoir des crises, euh, même en Afrique, par exemple, euh, euh, quand je parle d'un pays comme le Sénégal, il y a des moments où, effectivement, où il y a des crises politiques, le débat est tendu. Mais l'armée n'a jamais essayé d'arrêter le processus démocratique. De mon point de vue, l'armée vient de compliquer la situation. Pour moi, c'est un scénario du pire. Aujourd'hui, les gens sont en train de jubiler, il y a un ouf. On a arrêté Ibeka, voilà. Mais en réalité, le dur est à venir. Le dur est à venir. cest à savoir comment maintenant, euh, en fait, parce qu'en réalité, on a tendance à oublier, j'ai dit que certains sont amnésiques. Déjà, on dans une situation, dans un état qui n'en est pas un en réalité, parce que d'un point de vue sécuritaire, il existe parce qu'il y a des forces étrangères qui sont là en train d'assurer sa sécurité. Et j'ai dit, les Maliens sont amnésiques parce que, notamment les militaires, ils ont fait la même chose en 2012 ils ont aggravé la situation. capitaine Parce que justement, c'est sous Sanogo que les, les, les touristes ont, ont, profité pour prendre les déchets du territoire euh, malien. Et aujourd'hui, je pense que euh, peut-être que je souhaiterais que les faits nous, nous, nous, nous, nous demandent, mais j'ai comme l'impression, si on y prend garde rapidement pour en tout cas euh, redresser, mettre en tout cas, je veux dire, un ordre dans le Mali, c'est que la situation va se compliquer. Et nous, les, qui sommes les voisins, effectivement, euh, ça nous inquiète beaucoup. Parce qu'on le sait, on a vécu ça tout le temps. Vous vous rappelez, à un moment, le, président, Issou avait dit la chose suivante, c'est que ce qui se passe à Kidal, c'était pour une menace. Aujourd'hui, donc, avec la situation créée, parce qu'en ce moment, euh, ce n'est pas la sécurité qui est une priorité, mais c'est à l'intérieur du Mali. C'est maintenant juste faire le débat, comment maintenant créer, même euh, reconnaître les mortiers pour qu'effectivement qu'il y ait une, autorité donc, euh, commune pour qu'il y ait un ordre tout simplement. Parce que tout simplement, je viens de créer une situation vraiment euh, très très euh, confuse parce que je ne suis pas sûr que les militaires et justement le M5 peuvent s'entendre sur l'essentiel. Il risque d'avoir, il y, a des risques de division. Je ne sais pas, dans tous les cas, les militaires ont dit qu'ils sont, venus. C'est toujours comme ça. Quand, quand les militaires font un coup d'État, ils vont toujours donner donc des, euh, en tout cas des, garanties, faire des professions de foi, mais une fois, comme on sait, le pouvoir c'est comme l'école, <laughs> une fois installé, on a tendance maintenant à montrer vraiment le vrai visage, on a tendance à abuser. Bref, moi de mon point de vue, c'est le scénario du pire, le coup d'État va être une régression pour ce pays. Certes, moi je ne soutiens pas, je veux dire que je suis d'accord avec tout le monde que la gestion de IBK n'est pas catholique. Il y a beaucoup à redire. Euh, euh, donc, il a en tout cas euh, provoqué, parce que comme il est, quelqu'un qui, est élu, mais comme tout le monde le sait, effectivement, parmi les griefs, c'est la corruption, c'est vraiment tout ce qui est comme vraiment anti-valeur qui a caractérisé son règne. Donc, par conséquent, il n'est pas défendable, mais ce n'est pas pour autant. Que faire alors si. Que faire Je pense que déjà à partir du moment où tout le monde le sait, lui-même Ibeka, il n'a pas d'autre alternative que de négocier, que de lâcher du lest. Parce que déjà, en réalité, la société civile, en tout cas, je veux dire que la, le, M5, en tout cas, le mouvement populaire, montre que vraiment son pouvoir ne tient que sur quelques fils. Donc, par conséquent, peut-être il faut reprocher à la, aux partenaires de la CEDEAO, effectivement, de ne pas faire assez pour vraiment pousser le président en place à comprendre que vaut mieux donc lâcher de l'Est qu'effectivement de suivre l'humiliation. Parce qu'on a vu, c'est vraiment une humiliation de la façon. Il était contraint ce que les gens demandaient. Ils ont demandé à ce la démission. Et la démission de son gouvernement. Il l'a fait sous contrainte. Et c'est bien dommage pour lui. Isambadougou, euh, euh, comment les Maliens ont-ils accueilli ce coup d'État militaire C'est entre divisions parce qu'aujourd'hui les Maliens même sont divisés. Quand on écoute leur avis, il y a d'autres qui applaudissent le coup d'État, il y a d'autres qui disent non, ce n'est pas opportun, puisque le Mali déjà euh, est un pays fragile. Il se remémore encore les événements de 2012. En ce temps, le Mali n'était pas encore si fragile qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, le Mali fait face à multiples défis sécuritaires. Déjà, il y a une poussée aujourd'hui en force des djihadistes qui ont eu, une fois qui, ou en 2012, qui n'étaient que dans le nord, ils ont voulu progresser euh, à partir du centre et n'eût été la force servale, ils allaient même attaquer Bamako. Aujourd'hui, ces djihadistes aujourd'hui opèrent jusqu'à la frontière mauritanienne. Et il y a de ce côté les indépendantistes de l'Azawad. Donc vous voyez, le Mali n'a pas besoin aujourd'hui d'une éruption de l'armée. Parce que moi, personnellement, euh, en tenant compte des principes démocratiques, je suis contre toute forme euh, de prise de pouvoir par les armes. Parce qu'il n'est pas évident aujourd'hui que les militaires puissent garantir ce que les gens désirent. Parce qu'on connaît aujourd'hui, c'est même quand il y a un coup d'État dans nos pays, le plus souvent, il ne suffit pas de dire que non, on applaudit, on a débarqué euh, une personne. Mais ce qu'il faudrait voir aussi, c'est qu'il y a un échec patent de la classe politique. C'est une honte pour une classe politique qui n'arrive pas à s'entendre sur l'intérêt général. Et c'est ce qui occasionne le plus souvent l'arrivée des militaires au pouvoir. Et le cas aujourd'hui du Mali prouve que le Mali n'avait pas besoin. Si le Mali n'en avait pas besoin, comment faire selon vous Non, si Ibeka n'était pas ivre de pouvoir, Ibeka n'a pas fait eh, la promotion de la mauvaise gouvernance, d'un règne clanique basé sur le népotisme, il ne serait pas arrivé là qu'il y a tout cela, euh, qu'est-ce que devrait faire Ibeka devrait aujourd'hui reconnaître, bien avant que le mouvement avait commencé, reconnaître que aujourd'hui c'est le peuple malien. Cette assurance qu'il pensait avoir auprès de ses amis euh, de la CDAO et, de leur euh, patron de la France, c'est pas une assurance. Seul le peuple peut le garantir. Il aurait pu les écouter, proposer une feuille de route de gouvernance mais quand même interrompre même le mouvement M5, c'est qu'il demande, la démission, la démission. Non, on ne peut pas donner raison à la rue pour dire que non, on va rompre l'ordre constitutionnel normal. Ce n'est pas possible. Il faut que nos États aussi soient des États forts. C'est dont on a besoin. On n'a pas interdit aux gens de manifester leur mécontentement. Mais de la manière si ça compromet le processus électoral, le cycle démocratique, c'est là qu'il y a un problème. Aujourd'hui, Dieu seul sait comment ce flottement là qu'est-ce que ça va impacter Comment ça va impacter la bonne marche du Mali Aujourd'hui, il faut voir ces heures de flottement avec des djihadistes puissamment armés, qui occupent aujourd'hui cette bande de, allant de la, zone des trois frontières jusqu'à la frontière algérienne. Et aujourd'hui, une partie, ça c'est l'EJS qui est là, l'État islamique au Grand Sahara. Nous avons dans le centre Mali jusqu'à la frontière du, de la Mauritanie, en remontant vers Tombouctou jusqu'à vers Kidal, nous avons le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, cette coalition qui regroupe Yagagali et le marabout Amadou Koufa. Donc vous voyez un peu, et Yakmi également, vous voyez un peu comment c'est complexe. Ça, il faut que les gens réfléchissent un peu à leur acte. Nous, aujourd'hui, des pays comme le Niger, Aujourd'hui, nous avons l'insécurité à nos portes. Qui était à la base de ça C'est parce que c'est les actes, les conséquences, conséquences de l'action non contrôlée en 2012 de Sanogo qui nous a mis dans cette situation. Aujourd'hui, il n'y a pas un pays du Sahel qui est à l'abri du terrorisme. Il n'y a pas un pays dans lequel on n'a pas de cellules dormantes de terroristes. Et qui est à la base de ça Nous, aujourd'hui, nos pays sont des pays où tout est primordial, tout est prioritaire. Nous n'avons pas les moyens de faire face à cette situation. Alors c'est pour cela que quand il y a des actes à poser, il faut longuement réfléchir. Aujourd'hui, le, le CNPC ou bien comment il s'appelle, le Comité national de soutien au peuple, moi, il ne me donne aucune garantie qu'ils vont rétablir la situation. Non. Ils ont, aujourd'hui, ils ont, d'une part, premièrement, ils ont volé la victoire du M5. Le M5 est en défaite parce que eux-mêmes ils n'étaient pas constants dans dans mais le M5 a réaffirmé son engagement de travail avec les militaires. Quel engagement C'est avoir perdu la lutte. Aujourd'hui, leur lutte a été récupérée. Le par, qui, par, les militaires. Aujourd'hui, il y a cette génération d'officiers instruits. Vous avez vu la manière, c'est très soft. Donc, donc euh, ils communiquent. oui, ils communiquent et de la manière dont même ils ont pris le pouvoir. Ils n'ont pas quand ils ont arrêté, si c'était d'autres militaires. <laughs> Non, ça veut dire que c'est des intellectuels. Ils savent ce qu'ils font ils se sont inspirés de textes en matière de démocratie, du communautaire et aussi international. Quand vous prenez, si c'était d'autres militaires, quand ils capturent le président, c'est uniquement on prend la radio, on va faire le communiqué. Non. Comme, comme ils savent que déjà, la CDAO, dans sa médiation, était dans une dynamique de respect du protocole de la CDAO. Il n'est pas question de rupture de l'ordre constitutionnel normal. Donc, ils ont demandé au président, de, ils l'ont forcé. Parce qu'à regarder IBK, se prononcer, on sait que ce n'est pas de gaieté de cœur. Il a été forcé de le faire. Et c'est en ce temps. qu'il il l'a fait. Il l'a fait. Et à 4 heures du matin, eux, ils sont sortis pour faire leur déclaration. Mais dans cette situation, aujourd'hui, il faut situer les responsabilités. Pourquoi en est-on arrivé là Parce qu'il y a plusieurs responsabilités. D'abord, la CDAO. Les chefs d'État. Vous voulez dire que la CDAO a échoué La CDAO a échoué parce qu'ils ont fait une mauvaise lecture de la situation. Les chefs d'État ont plutôt vu l'aspect amical de protéger notre ami que d'écouter vraiment et de voir la réalité des choses. Parce que Ibeka, on l'a vu à l'œuvre quand il était Premier ministre. On l'a vu à l'œuvre quand il était président d'Assemblée. Alors les gens disent que non, il est aguerri du pouvoir, il connaît les rouages, donc il peut faire quelque chose. Aujourd'hui, quel est le seul point qu'il a pu respecter comme promesse électorale au Mali Rien, si ce n'est pas la division. Et c'est un président qui a refusé de reconnaître. Mais force est de constater aujourd'hui que ce pays, dans la situation dans laquelle elle se trouve à l'heure actuelle risque de nous impacter nous aussi notre quotidien. Et c'est ça qu'aujourd'hui qui fait en sorte que nous ne pouvons pas tolérer ou bien donner assez de crédit à ce coup de force. Il n'est pas question. Il faut que nos États soient des États forts. Nous, nous sommes des jeunes démocraties. Aujourd'hui, même si l'armée, on dit que non, ils ont, ils ont c'est une tradition. Quelle tradition On peut rompre cette tradition. Et à l'âge tout à l'heure, donné le cas du Sénégal. Quel mouvement le, le, au Sénégal bah, Les citoyens, c'est au, Burkina Faso. Au mm. était plus puissant. C'est le mouvement citoyen le plus puissant. Même Filimbi en, RDC n'était pas puissant comme Y Est-ce que vous avez vu l'armée sénégalaise sortir non, il faut que la tradition démocratique soit vraiment respectée. Ce n'est pas des traditions pour dire non, c'est des traditions en Afrique que l'armée fasse irruption à l'armée et sur la scène. Mais parce que c'est nos politiciens aujourd'hui qui prêtent le front. qui le front au détriment de l'intérêt eh, général, ils préfèrent défendre leur propre intérêt. Euh, quelles sont ou seront les conséquences euh, de ce coup d'État euh, militaire pour le Mali en particulier et pour le Sahel en général en proie déjà à l'insécurité Mokhtar, vous venez tous de le dire, ça fait des mois pratiquement que le peuple malien est en train de dire à ce monsieur de dégager. C'est quoi la démocratie C'est le peuple. C'est le peuple, la démocratie. La démocratie ne se limite pas à voter quelqu'un pour un mandat. On te vote pour un mandat d'une période déterminée. Quand ça ne va pas, il y a eu, il y a eu l'alarme plusieurs fois. Ça n'a rien changé. Le type de sommation. Il y a eu des sommations plusieurs fois, jusqu'à ce que le peuple descende dans la. Il faut faire attention, parce que les gens sont en train de devoir la démocratie. La démocratie suppose, aujourd'hui, on paie. Il faut voir ce qui se passe en Afrique du Sud. Le président démocratiquement élu, l'ANC, le, parti, rien que le parti se mobilise et on débarque le monsieur. Parce que tout simplement, il ne répond, pas, aux aspirations. Qu'est-ce qu'on constate chez nous Tout à l'heure, tous les deux ont dit la CDAO. C'est un syndicat de chefs d'État. Pendant tout le temps que ce peuple-là est en train d'être primé, pendant tout le temps que le peuple-là est en train d'être privé de ses droits les plus euh, fondamentaux, où étaient ces chefs d'État Où ils étaient Mais bien évidemment, dans nos pays fragiles, bien évidemment, quand la situation arrive à un niveau où, sur le pourrissement, l'armée <laughs> généralement profite de ce genre de situation. Vous avez vu le peuple sortir pour acclamer l'armée. Tout à l'heure, j'ai suivi un peu, comment dire, la vision. Est-ce que c'est la seule issue pour... Euh, Il n'y a pas d'issue parce que les gens sont têtus. Est-ce que c'est par la force qu'il est venu au pouvoir Moi, j'ai dit la meilleure façon, de, c'est de s'en aller. À partir du moment, trouve le mécanisme. Il aurait pu quitter, dire, à partir du moment où vous n'êtes plus d'accord avec moi, je m'en vais. Parce que la démocratie ne se résume pas seulement aux élections, ça se résume aussi à la gouvernance. Mais quand la gouvernance est mauvaise là, est-ce que les gens doivent s'asseoir pour regarder jusqu'à ce que le bonhomme finisse son mandat Pendant ce temps, des gens meurent tous les jours. L'école ne fonctionne pas. La santé ne fonctionne pas. C'est ça la démocratie. Dans les pays occidentaux, on voit bien ce qui se passe. La gabégie s'installe où des gens viennent, ils pillent. Ils pillent parce qu'ils sont avec le système. L'argent public ils deviennent riches avec l'argent public. Et on dit non, mais il a un mandat. Mais quel mandat Le mandat, c'est le peuple qui l'a donné ce mandat-là. C'est une démocratie indirecte, c'est pas la démocratie populaire. Mais quand le peuple en a assez, c'est normal que le peuple descende dans la rue pour dire on n'est pas d'accord avec la façon de gouverner, ou on voit des gens s'occupent du néant du jour au lendemain. Ils sont là, ils se pavent dans des grandes voitures, dans des grosses euh, cylindries. Hey, mais qu'est-ce que vous voulez Qu'est-ce que vous voulez quand on dit non, on a le protocole de la CEDAO. C'est le protocole de la CEDAO sur la démocratie et la bonne gouvernance. Mais quand on regarde un peu ce qui se passe dans nos pays, est-ce que, d'accord, la démocratie et là, il y a les élections. Mais est-ce qu'il y a la bonne gouvernance C'est ça qui pousse souvent les gens et les militaires, ils sont aux aguets. Où Jibo, la, la CDAO, appuyée par la communauté internationale, demande le retrait des militaires et exige le rétablissement de l'ordre constitutionnel. L'ordre constitutionnel, c'est quoi Tu penses que ces gens-là, ils sont fous tu penses qu'ils sont fous Ils ont fait un coup. Ils ont, eh, eh, non, mais tu, penses qu'ils vont décider de, de restaurer eh, IBK euh, à, à Mais pour devenir quoi, eux Pour devenir quoi La communauté internationale peut faire quoi C'est le constat. Il faut faire maintenant une transition rapidement. Ça s'est passé partout où ça se passe, ici ou chez nous en 2009. C'était 2010, c'était le cas. Ils vont faire le bruit pendant 48 heures, 112 heures. Mais bon, à partir du moment où le peuple est avec ses euh, soldats, et le peuple, évidemment, parce que le peuple a lutté, il y a eu combien de morts On aurait pu éviter ce nombre de morts-là. On aurait pu l'éviter. Tu n'es pas un, devin ou un, euh, comme avait dit, tu, n'es pas un, envoyé. Pensez que tu, es indispensable, il faut que tu finisses. Quel mandat C'est pas le peuple qui t'a donné le mandat. Passons à présent à la célébration mercredi 19 août 2020 de la journée mondiale de l'aide humanitaire. Euh, chaque jour, les travailleurs humanitaires aident des millions de personnes à travers le monde. La journée mondiale de l'aide humanitaire est l'occasion de rendre hommage à celles et ceux qui font face au danger et à l'adversité pour aider les autres. Euh, cette date a été choisie par l'Assemblée générale des Nations Unies en référence à l'attentat euh, du 19 août 2003 contre le siège des Nations Unies à Bagdad, en Irak, qui a causé la mort de 22 personnes. Dans le cadre de la commémoration de la Journée mondiale de l'aide humanitaire, le studio Kalangou a reçu dans ses locaux Bertrand Gallet, le président de l'ONG française Acted, et Alice Dorer, la directrice pays au Niger de la dite ONG. Les activités au Niger vont se poursuivre et ce, malgré la classification en zone rouge euh, du Niger par la France, ont déclaré les responsables de l'organisation humanitaire. On les écoute. C'est impressionnant. Autrefois, les humanitaires, c'était un peu des personnages euh, intouchables, euh, souvent des médecins qui allaient dans des endroits où personne n'allait et qui étaient protégés par la population. Aujourd'hui, ce sont des victimes désignées plus d'humanitaires sont tués dans l'exercice de leur travail et que ça pose un véritable problème de droit international, de protection internationale très très difficile à, mettre en œuvre. Acted va s'arrêter ici suite à ces drames ou bien Acted va continuer ses activités au Niger Absolument pas. Acted va pas s'arrêter ni au Niger ni ailleurs suite à ce drame. Ici, on a un peu moins de 200 salariés nationaux et internationaux, mais en grande majorité des Nigériens, bien sûr. Et on a traversé une période de repli, en fait, qui nous permet surtout de nous occuper des familles des victimes, qui aujourd'hui vivent l'inimaginable et auprès desquelles nous sommes tous les jours. On veut aussi s'occuper de nos équipes pour être prêts à repartir sur le terrain, dans la confiance. Comment vous comptez reprendre vos activités tant que le Niger euh, classé par euh, le gouvernement français rouge. Pour Acted, mais je pense aussi pour euh, les autres organisations humanitaires qu'on connaît bien, il n'y a rien de rouge. Le Niger n'est pas rouge. Les pays du Sahel ne sont pas rouges. C'est une simplification et ça colle pas non plus avec la réalité du quotidien des populations, même si en effet, dans certaines zones spécifiques du Niger, les populations sont victimes de violences récurrentes et les humanitaires aussi. Nous, on est là pour continuer d'assister les Nigériens, même si on sait qu'il y a certaines zones où on travaille qui sont particulièrement difficiles, où il faut prendre trois fois plus de précautions et on n'a pas l'intention de sortir de ces zones-là. Hussein Sajibo, euh, quel commentaire après avoir écouté euh, les réactions des responsables de l'ONG Actaid oui, mais bien évidemment, c'est une réaction tout à fait normale. ils ont eu récemment pas eux seulement, nous également, nous étions concernés parce que la mort de huit Français, de huit jeunes Français à courir, de six jeunes Français et deux De, ça quand même un choc. Bon, bien évidemment, ils vont pas à cause de ça décider de s'en aller comme ça. Bien avant, un Médecins sans frontières a été victime à plusieurs reprises de ce genre de de ce, de situation. oui, oui, ce genre de situation. Mais maintenant, les humanitaires, la journée des humanitaires, d'accord, bien euh, l'humanitaire, ça existe depuis Henri Dunant, qui, qui, a fondé, comment dirais-je, la Croix-Rouge à la première guerre, lors de la Première Guerre mondiale. Mais moi, je veux dire, tout ça là, c'est lié à quoi C'est lié à quoi Tout ça, c'est lié à la malgouvernance. C'est eux qui sont en train aujourd'hui, partout, quand ils viennent de parler de conflit. Mais c'est les conflits qui font que les gens se déplacent. Ils quittent leur localité pour aller s'implanter et ils ont besoin de soutien. Si nos États, après 60 ans d'indépendance, n'arrivent pas à créer les conditions, les conditions d'épanouissement des populations, bien évidemment, on a besoin de ces gens-là. Parce que sans eux, nos États ne peuvent pas regarder un peu ce qui se passe à Difa. Il y a plus de 200 000 euh, euh, réfugiés, réfugiés, déplacés internes. Ici, dans la région de Walam, dans la région de Tel plutôt, vous vous imaginez, s'il n'y a pas ces humanitaires-là, on va devenir quoi Ils sont là, ils sont là quelque part aussi, parce que tout simplement, ça leur permet de collecter suffisamment de ressources pour pouvoir fonctionner aussi. Parce que c'est bien beau de dire, bon, on ne peut pas quitter, les ressources là, c'est à travers des collectes. Mais moi, j'ai dit quelque part, quand on est un pays qui se dit indépendant, on doit pouvoir créer les conditions avec les ressources propres du pays, créer les conditions pour que les populations ne soient pas de manière permanente dans des situations où il faut que quelqu'un vienne avec du riz, avec des, des bidons d'huile pour pouvoir assister. Je ne dis pas que ça ne peut, pas ça peut pas survenir, mais il ne faut pas que ça soit de manière permanente. Mais malheureusement, dans nos pays, c'est de manière permanente. Depuis que le conflit là, a commencé, l'insécurité, le terrorisme et tout et tout, imaginez les gens qui ont quitté chez eux, qui n'ont plus de moyens de production dans la région de Difa, dans la région de Tilabéry. Alors, s'il n'y a pas ces humanitaires-là, vous pensez que l'État est en mesure de faire face alors que l'État n'est même pas en mesure de faire face aux préoccupations des populations qui vivent dans les villes prendre en charge des gens qui ont tout quitté, les champs, les, moyens de production, les animaux, qui sont en plus affectés par des attaques. C'est en cela que leur présence est indispensable quelque part, parce que c'est lié à la démission de nos États. Parce qu'on ne veut pas investir véritablement dans les secteurs où il faut investir, où ça peut créer une situation où les populations localement peuvent se développer et ça va encore assouplir les charges de l'État. Ça va pas donner lieu à, l'implantation de, partenaires pour venir assister. La, souveraineté, c'est d'abord ça. S'il n'y a pas ça, est-ce qu'on peut parler de souveraineté Issa sur le terrain, euh, quelles sont les attentes euh, de ces milliers euh, de familles sous assistance humanitaire dans les zones d'insécurité Vous savez, cette journée intervient dans un contexte un peu très difficile. Pour le cas précis du Niger, quand vous prenez la région de Difa, aujourd'hui à quoi nous assistons à vraiment un déplacement massif des populations. Tout, dans tout, le monde, euh, tout le monde est en train de quitter pour venir se concentrer à Difa. Du coup, les besoins vont augmenter. Et dont les capacités aujourd'hui, tout le monde le sait déjà, euh, en février dernier, il y avait eu, comment on appelle le plaidoyer des humanitaires pour dire que voilà, si la situation continue. Parce que ce ne sont pas, avant, il y avait le plus grand nombre qui vient du Nigeria. Et aujourd'hui, ce ne sont pas, ce sont des déplacés internes que nous avons plus. Les villages sont en train de se vider, puisqu'il y a les menaces dont ils subissent. Les euh, enlèvements. Les enlèvements. oui, parce que c'est quand vous refusez. Moi, j'ai causé avec euh, quelqu'un là-bas, je lui demande, mais qu'est-ce qui se passe concrètement? Il me dit, c'est qu'il y a des menaces de quitter. Vous refusez de, de quitter, parfois les gens viennent, ils vous tuent, ils enlèvent. Et il y a des localités où ils ne savent même pas ce qui se passe. Une nuit comme ça, des gens font des incursions dans les villages, ils massacrent les gens. Donc ils sont obligés de fuir en laissant derrière eux tous leurs moyens de production et de subsistance. Alors quand ils viennent ici, ils n'ont même pas là où se loger. Il fallait que les humanitaires interviennent. Il faut saluer un peu le travail d'assistance. Mais quand même, moi, je pense qu'il faut aussi repenser l'aide humanitaire parce qu'il ne faut pas que les gens soient placés dans l'assistanat absolu. Il faut développer, c'est vrai, il y a ce qu'ils appellent Nexus, euh, la formule Nexus des humanitaires qui concilie euh, humanitaire et développement, mais ce concept est mal euh, comment on appelle, interpréter, formuler, parce qu'il y a des gens qui jusque-là qui n'arrivent pas à le comprendre correctement. Quand tu demandes à des humanitaires le nexus, ils vont se dire non, il faut concilier les infrastructures de développement, il faut... Non, moi je pense que au-delà de tout ça, il faut repenser l'aide humanitaire. Il faut que l'aide humanitaire ne soit pas euh, ce moyen euh, de mettre des gens sous la coupe sous, ou bien à être dépendants. Non, il faut qu'on estime la résilience de ces communautés. Mais aujourd'hui, quand on voit à l'allure où les choses se déroulent dans nos pays, par exemple, quand on prend aujourd'hui les deux régions, euh, les plus actives, dans le nord de la région de Tilabéry aujourd'hui, sont milliers. La CRM est en train de démanteler ces camps pour les faire déplacer pour donner d'autres localités. Donc, ce qui veut dire, c'est un normal qu'on est en train de créer. C'est là les défis pour nos États. Au lieu d'aujourd'hui, non, l'État doit comme l'a dit Ousseini, doit être présent. L'État doit être présent en faisant quoi En assurant à ces populations un retour digne chez eux pour reprendre leurs moyens de production et de subsistance. Mais si on veut chaque fois continuer, c'est-à-dire les humanitaires ne vont pas développer un pays. On a vu le Congo aujourd'hui. Il y a plein d'exemples. Le, Centrafrique et d'autres pays, la Somalie et consorts. Mais il faut que nos pays aussi se servent, jettent un regard sur ce qui se passe ailleurs et développent leur propre stratégie. Aladji Mohamed Suleiman, euh, comment sécuriser ces personnes qui, au prix de sacrifices incommensurables, ont choisi de servir les plus démunis en leur apportant une assistance dont ils ont grandement besoin pour vivre, euh, sinon on pourra euh, survivre Je pense qu'il faut se féliciter qu'il y ait vraiment justement des gens qui sont enclins à braver vraiment euh, au risque de leur vie. Quand on les écoute, ils disent que euh, pour eux, le Niger n'est pas rouge, euh, ils vont continuer à... Je t'assure que c'est réconfortant d'entendre cela. Je pense qu'ils ont fait montre de réalisme et qu'ils sont sur le terrain. Cette expression de Niger zone rouge, ça a choqué les Nigériens, surtout venant de, <laughs> de, de la France. Euh, je veux dire que euh, franchement c'était inamical, c'était vraiment pas du tout sérieux. Euh, lorsque vous décidez de cela, c'est-à-dire que parce que parce que l'idée que les Nigériens peuvent se faire, c'est que c'est parce qu'on a tué six ressortissants français. Si c'était seulement des Nigériens, est-ce qu'ils vont classer cette zone-là des zones, des rouges Donc vraiment, c'est bien que eux qui sont des actes en tout cas, on peut vraiment placer le mot juste pour dire que. mais comment, les sécuriser comment... en fait, on est dans un contexte. Euh, parce que tu sais, euh, bien avant cette ONG, on se rend compte que les humanitaires sont comme imprudents. Ils s'exposent franchement souvent dans des zones dangereuses, souvent à l'insu des autorités. Comme Issa l'a dit, sont vus, ils sont venus en appui le vrai euh, moteur de développement, c'est d'abord euh, l'État qui doit véritablement assurer le bien-être euh, de ses citoyens. Ah, donc ça veut dire que c'est une démission de, l'État. ils sont venus en appui. Ils sont venus appuyer parce que quand faut c'est une philosophie humanitaire. Hein. C'est-à-dire que même dans les pays développés, il y a toujours des, catastrophes, des situations de conflits qui font appel justement aux gens vraiment qui sont qui ont comme vocation justement d'assister absolument ponctuellement. Mais chez nous, avec euh, la situation, euh, en tout cas, d'insécurité, avec le tourisme, franchement, il faut faire attention. La question qu'on se pose, par exemple, comment les gens sont allés à, à courir dans un véhicule, huit personnes, sans sécurité. Ça aussi, il faut le reconnaître. Il faut des mesures désormais. Tout le monde, et même les responsables de ces ONG, en tout cas, doivent faire, être, en tout cas, faire montre de vigilance euh, mais aussi euh, pourquoi ne pas demander l'accompagnement de l'État euh, de, de, une telle mission Donc, bref, moi je pense qu'il faut saluer vraiment le courage qui est ces bonnes volontés. On voit vraiment sur le terrain ce qu'ils font, mais encore une fois, comme il a dit eh, Issa, il faut également que l'État soit regardant parce que aussi souvent, quand on voit le train de vie de ces gens, vraiment on se pose la question l'aide, qu'est-ce qui arrive vraiment aux populations euh, si on fait la, vraiment la part des choses avec euh, ce qu'ils ils peuvent utiliser comme moyen, d'abord, euh, on, voit vraiment des grosses voitures, on voit. Franchement, on se pose la question, l'État doit être regardant. Et de mon point de vue, franchement, le mot essentiel, c'est que pour moi, on est dans un contexte d'insécurité difficile, on doit faire attention. Les eaux du fleuve Niger au-delà du seuil d'alerte rouge de 620 cm, les fortes précipitations enregistrées dans le bassin du Niger au Burkina Faso, au Mali et dans le sud-ouest du Niger courant ce mois d'août ont provoqué la montée et le débordement des eaux de ce fleuve. Selon Brema Koulibaly, coordonnateur régional du suivi hydrologique à l'autorité du bassin du Niger, une vigilance particulière être observé par les populations insulaires et riveraines, particulièrement celles des zones inondables. En ce qui concerne euh, la situation au Niger, c'est ça que nous appelons le Niger moyen, on est en situation de crise locale. On a atteint la cote d'alerte rouge qui est de 620 cm. On la dépasse maintenant de près de 28 cm parce que ce matin on est à 648. Ça implique quoi euh, concrètement Dès qu'on attend la cote 620, donc il y aura débordement. Ça veut dire que l'eau va sortir euh, du lit majeur et s'étendre dans les zones inondables. Donc c'est ça qu'on appelle cote dans les dons. Ah, c'est la cote à part de laquelle il y a débordement pour que l'eau s'étale et envahisse les zones inondables. Donc ça, c'est observé depuis et nous avons fait un bulletin. Comme vous avez vu, le fleuve même, ils ont construit une digue de protection. Mais la situation là est aggravée par le phénomène euh, d'ensablement. Issa Madougou, votre commentaire après avoir écouté le coordinateur euh, régional du suivi hydrologique à l'autorité du bassin du Niger. Oui, Mokhtar, vous le savez bien avant avant le début de la campagne pluvieuse, il y a eu les prévisions qu'ils ont données. Rapidement. Euh, oui, ils ont donné les prévisions pour dire que cette année, il y aura beaucoup de beaucoup pluie. De pluie. Donc, il y aura forcément des risques d'inondation. Alors, c'est on, est, on en train de retomber dans le même scénario que les années antérieures. C'est-à-dire, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire Nuter les actions. Oh, regardez le niveau du fleuve, Nuit les actions du projet pgc que je salue vraiment avec les digues. À travers les digues de protection des, des, des, quartiers là. À la rive droite, à Goudel et à Saga, je vous assure que ces quartiers auront pu disparaître. Mais il faut aussi que on arrive à combattre l'entêtement de certains de pouvoir rester dans des zones inondables. Parce que quand la catastrophe va venir, c'est encore un surplus pour un État fragile qui n'a pas encore les moyens de venir en aide. Vous voyez, tout à l'heure, on parlait de l'aide humanitaire. C'est encore, on va faire des appels à, à, des humanitaires pour venir en aide à ce monsieur. Et moi, ce qui est déplorable, moi, je pense que c'est l'autorité même qui n'arrive pas à s'assumer. Vous vous rappelez, il y a eu plusieurs années qu'il y a eu des inondations. Des gens. Depuis 2012. Hein. On a donné même des, lieux. Parcelles. On a aménagé des lieux mhm. pour dire à ces gens qu'ils quittaient ces lieux euh, à risque pour vous installer là-bas. Qu'est-ce que les gens ont fait euh, Oui, les gens sont vendu les espaces, ils sont revenus encore. On comprend que euh, je ne sais pas, c'est de l'ignorance ou bien quoi. Mais quand même, ce que je peux dire, Aujourd'hui, la situation, tout le monde le connaît. Qu'est-ce qui fait en sorte que le fleuve même déborde Le niveau d'eau a augmenté parce que notre fleuve se trouve dans un état critique. Il y a l'ensemblement. On n'en finira pas d'en parler. Moi, je voudrais euh, juste augmenter quelque euh, chose. Rapidement. Ça, c'est une stratégie que chaque fois, quand on parle du fleuve, moi, je l'ai dit. Il faut fermer les carrières de sable à la périphérie de la ville autoriser, investir, créer des consortiums de sociétés pour qu'ils puissent se doter, faciliter l'accès au, crédit au niveau des banques à ces gens pour qu'ils puissent se doter du matériel et faire sortir le euh, dans le fleuve le sable. À Bamako, là, pourquoi vous voyez à un moment au niveau. Euh, pourquoi on interdit à des zones de, euh, pour vous dire que non, vous n'avez pas accès aux baignades parce qu'il y a des risques de noyade C'est parce que à Bamako, tout le sable utilisé dans les constructions et, épuisé au niveau du fleuve. Mohamed Souleymane, faut-il craindre le scénario du 2012 ben, À partir du moment où on n'est pas très entreprenant, on a tendance à faire euh, la danse sur place. Justement, on va toujours être surpris euh, par ce phénomène. J'ai suivi euh, la semaine dernière le gouverneur en train de menacer les populations euh, ça leur indiquer où ils vont. Euh, en tout cas, c'est un temps martial, leur demande, en tout cas, s'ils ne quittaient pas, euh, donc ils vont utiliser la force publique pour les faire partir. Je suis d'accord aussi que ces populations aussi sont souvent têtues. On comprend aussi l'attachement à la terre. L'histoire du barrage montre véritablement, effectivement, les gens sont très, très attachés à la, à, leur terre, euh, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont là, euh, qui dépassent euh, simplement le rapport physique avec le. C'est souvent un rapport presque spirituel. Mais je pense qu'il va falloir. C'est tellement sérieux que pendant que l'État... Peut-être dans des périodes vraiment favorables, on vient discuter avec les populations parce que moi je pense que aussi c'est le cas. Est-ce que l'État n'a pas agi à la dernière position euh, bon, lorsque, par exemple, il s'est dit, et c'est effectivement euh, avéré, lorsqu'on peut donner aux populations des, terres, elles vont vendre et revenir, je pense que là, c'est assez délicat. Donc, vraiment, c'est assez complexe. Il va falloir, euh, dans, un, dans une logique, vraiment, si on veut régler ça, en tout cas, créer une véritable dynamique qui implique tout le monde pour qu'on puisse peut-être prendre vraiment des mesures énergiques mais tout en accompagnant justement parce que euh, à partir du moment où ils s'inquiètent, ce n'est pas seulement l'habitation, ils vivent aussi, ils font des activités euh, économiques, agricoles. Donc euh, franchement, c'est très délicat. Il va falloir vraiment prendre prenne ça très au sérieux. Parce que comme le disent, en tout cas à un certain moment, quand on voit le niveau, le niveau 2 comme on est en train d'observer, en eh, tout cas, un jour, on va observer une catastrophe et eh, vous voyez, à ce moment-là, on va encore eh, faire des histoires après coup. Hussein Sajibo, quelles solutions dans le court, moyen et long terme pour les populations insulaires et riveraines du fleuve Niger, particulièrement celles des zones inondables mais solution, la solution. Dans, <laughs> l'immédiat Dans l'immédiat, c'est quoi Dans l'immédiat, on a déjà déplacé ces personnes-là. On leur a donné des parcelles quelque part. Ils sont allés après, ils sont revenus, ils ont vendu les parcelles. Quelle solution immédiate Il faut les faire partir. Mais dans tous les cas, même si on leur donne des parcelles, parce qu'après la parcelle, il n'y a pas l'accompagnement. Souvent, il y a déjà. Bon, ils sont dans la précarité absolue. Ils n'ont pas de quoi construire. D'accord, ils ont une parcelle. Mais c'est plus facile pour eux de revenir là où ils connaissent les gens. Même si c'est pour faire une case, ils vont venir faire la case et puis s'installer. Et en plus, euh, Suleiman vient de le dire, c'est qu'il y a des activités économiques qui mènent grâce à ce fleuve-là. Notamment les pêcheurs, ceux qui font la pêche, ceux qui font la paille, et les, jardinages et tout et tout. Ça, c'est des activités. Tu peux pas prendre quelqu'un pour l'amener quelque part où il n'a même pas la moindre petite parcelle où il peut cultiver, à manger, pour lui dire il faut t'installer là-bas, il faut plus retourner de l'autre côté. Parce que tu le coupes karma de son, de son moyen de production parce que c'est le fleuve. Quelle solution La solution durable, c'est qu'il faut un accompagnement. Mais malheureusement, c'est cet accompagnement-là qui fait défaut. Le plus souvent. Donner des parcelles aux gens. Quelqu'un qui n'a même pas 50 000 francs en poche, qui ne peut même pas générer des ressources de 50 000, tu vas lui donner une parcelle. Il va faire quoi avec la parcelle ce qui est tentant, ce qui va le tenter, c'est de vendre la parcelle, trouver un peu de ressources, venir construire là où on l'a déjà déguerpi. Et puis bon, avec le peu de ressources qui va rester, il va tenir pendant 50 ans quand l'eau va se retirer, c'est la calmie. Isamadougou, rapidement. Euh, moi, je pense qu'il faut repenser l'aide, comme Hussein l'a dit. Parce que repenser comment euh, L'aide apportée à ces gens-là. Aujourd'hui, comme on sait que c'est des zones euh, qui sont inondables et face au changement climatique, moi je pense que c'est à l'État aujourd'hui de trouver pourquoi n'est pas construire des cités à ces gens-là pour les faire loger. Moi j'ai vu des humanités, des ONG arabes qui construisent des cités qui donnent. Maintenant, certes c'est vrai que les constructions ne sont pas adaptées aux réalités euh, de nos villages, mais quand même il faut les repenser pour que au moins celui qui est concerné qu'on les fait déplacer de ces zones, qu'on laisse ces zones-là. On peut aussi ces zones-là les utiliser pour l'agriculture. Souvent, ce qui se passe, c'est que les bénéficiaires même, ceux qui se sont bénéficiés, ils n'en bénéficient pas. C'est d'autres personnes qui ne sont même pas impactées par le phénomène, ceux qui bénéficient c'est ces parcelles-là. Voilà, nous sommes au terme de ce forum de studio Kalangou. Merci à nos invités, Issa Madougou, journaliste indépendant, Elhaji Mohamedou Souleymana, directeur de la rédaction du journal en ligne Niger Inter, et Hussein Issa Djibo, journaliste indépendant également. Merci aussi à tous les auditeurs pour votre fidélité au programme du studio Kalangou. Rendez-vous samedi et dimanche de 17h pour suivre le programme des jeunes avec euh, l'actu des jeunes en cinq langues suivi de tous à la FADA. Et à partir de 18h15, samedi, le forum en Hausa sur les coupures de la fourniture d'eau et d'électricité à Gaïa, piste de solution. Et dimanche, le forum en Zarma sur euh, l'influence des programmes télévisés l'éducation des enfants. Merci aussi à la technique côté son assuré par Issa Lawali et côté vidéo Adama Dawaki. Merci, au revoir.